Et la FADA, elle est où aujourd'hui Elle est à Difa. Hein. La FADA, place des martyrs. Difa, place des martyrs. Voilà. voilà, amis auditeurs, auditrices des programmes euh, du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue sur Tous à la FADA, votre émission préférée, l'émission consacrée à la jeunesse. Nkuna matkaran irsi kala neo difa irka difa ngala difa mo asikala kilo zambar fo dizongu inzande de de Bayan. on va parler de la contribution des jeunes dans le sauvegarde des infrastructures de différents N'Gala. On se souvient tous, le 24 janvier 2020, dans la capitale du Manga, l'ancien Premier ministre Birgir Rafini a officiellement lancé les travaux rentrant dans le cadre de la célébration de ce 62e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, dénommée Difa Ngala. Euh, c'est quoi Difa Ngala Difa Ngala, Difa Ngala difa mai kyau oh difa bori difa oh. en germain ça veut dire quoi difa bori difa kanga bori difa voilà euh, est-ce que aujourd'hui difa bori abori oh, mais abori mais abori abori oui vous avez été ami jeune difa bori aujourd'hui Diva est très très très très belle selon les jeunes avec qui on est. On est là aussi, on a constaté vraiment Diva est très très ingala. Je disais dans son allocution, le Premier ministre, il a parlé de la construction de 100 villas, un hôtel, un marché moderne, une pâtisserie, une pharmacie, plusieurs kilomètres de routes bitumées. Tout ça là, le budget est estimé à 62 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, grâce à toutes ces réalisations, Diva s'est métamorphosée. On ne dit pas que les réalisations sont là. Nous allons voir avec les jeunes si réellement. DIFA a bénéficié de tout cela. Les 62 milliards sont injectés dans différents galas. Les 100 villas sont là. Le marché moderne, pâtisserie, pharmacie, hôtel moderne, tout ça là. Nous allons voir ça avec euh, les jeunes de la FADA. Le thème de ce soir, c'est la contribution des jeunes de la sauvegarde des infrastructures construites à l'occasion de différents galas c'est de ça on va parler aujourd'hui dans euh, notre émission alors on va poser plusieurs questions notamment nous allons voir comment les jeunes comptent protéger ces joyaux de manga et quels sont les avantages qu'ils comptent tirer parce que nous sommes avec les jeunes entrepreneurs ici ils vont dire comment est-ce qu'ils comptent tirer des profits si c'est des restaurants ils vont placer tout autour de la place des martyrs qu'est-ce qu'ils vont faire comment est-ce qu'ils comptent entreprendre quel profit ils tirait tirer sous les lampadaires On va voir tout ça là euh, dans notre émission euh, de ce soir. Et l'émission Tout ça la Fada, vous le savez, c'est des rubriques, des chroniques, la musique et bien d'autres. Amis auditeurs, on est tellement nombreux ici. Je ne peux pas dire que je suis avec X, je suis avec Y. Les jeunes ils sont là, ils sont très actifs. On va commencer avec euh, la fille Ngala. Bonsoir. <laughs> Ramatou Morungala, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Difa est Ngala Oui. on pourquoi? peut dire, mais. Vous avez quitté Zander pour venir voir. Oui, oui. Alors, comment vous trouvez Difa aujourd'hui En tout cas, maintenant, c'est Ngala. C'est pas comme avant maintenant. Voilà. Oui notre ami Issa. Issa, présentez-vous à nos auditeurs. Donc, merci. Euh, moi, c'est Aboukar Issa. Je suis le président du mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne, en abrégé Mojedek. Justement, l'éducation citoyenne, on va voir comment vous comptez sensibiliser les jeunes pour vraiment sauvegarder les acquis. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre des de différents galas J'ai cité pas mal de choses. Est-ce que tout ça là, c'est là ou pas euh, Bon, euh, vraiment pour compter qu'est-ce qui a été réalisé à, à c'est beaucoup c'est énorme ce qui a été réalisé. Vraiment, euh, euh, <laughs> Donc, euh, dans l'ensemble, vraiment, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites au niveau de DIFA. On profite de votre micro pour remercier les autorités pour leur effort au niveau de ces fêtes tournantes d'IFA Angla. Vraiment, on a eu beaucoup de choses. Mais il y a un mais, ça reste beaucoup. Puisque oh, suite au, au discours du Premier ministre d'OTAN, Brigitte Raffini comme Difangla. Ils ont voulu faire ça en 2020, donc euh, suite au coronavirus, l'insécurité et l'inachèvement de, euh, des infrastructures, ils ont reporté ça en 2021. Et quand euh, le Premier ministre était à Difa, dans le discours, il a cité beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu sors à Difa, tu ne vas pas voir certaines choses. L'exemple, sans villa. Babou, il n'y a pas 100 villas à Difa, il n'y a même pas 50 à plus forte raison 100. Sauf si euh, c'est le chambre qui compte 100, le villa n'atteint pas 100. Là, je ne sais pas, mais il n'y a pas 100 villas à Difa. Ça, c'est un. Et aussi, quand tu prends la somme totale de l'argent injecté dans le cadre de Difa là, on parle de 72 milliards. 72 milliards. 72 milliards. Et vraiment, à Difa, on ne, va pas, on ne voit pas 72 milliards. Euh, certes, il y a un changement quand tu prends euh, DIFA aux euh, années antérieures, aujourd'hui, dès que tu rentres, tu sens que vraiment, il y a quelque chose qui a changé dans, dans la ville de DIFA. Mais vraiment, il y a beaucoup qui reste à faire par rapport au montant annoncé et par rapport aux infrastructures annoncées par le Premier ministre d'OTAN. isaka yakuba matano difan galaci na woni dionga cinare kan ite wo kan ran go batuno walmo cinare yanda ino kan ite satan vos l'espoir ou bien aha to difan gala de cinare kite igba alhamdulillah ibo bunite ba kan se premier ministre discours ana haibo bianci ki migite ka alkaso me isi terrain ba mi amma haifo gon kai ba ai mu family borese hayo construction hein. ce sont des réalisations quand a hein, c'est sur deux ans a c'est sur trois ans et que ce n'est pas forcément ils doivent être achevés mhm. mais ce sont des réalisations qui continuent et que bah dans les autres villes c'est comme ça jusqu'à après trois ans il y fait un bon andi donc euh, vraiment de irhima irma kanyura tinewo kite vraiment hayno kai a kamata mine jene itunenge bonga gi halasi difana wakite abisi kulu masha Allah hankuna su ban boda aika ne o ai maka ni kai gagar ne o jen foyan de nya zene gogo nan goro wa habu zamala nan fa kai fase ne o ampul ampule den bona inji kase donc wani hayyano kai ne im kai isin gi fanna hakulu gwamnati ka bai ga gini ah, im hayu kulu kada furta jayin kan badan aha ya dinne ne gamci chef yau mun ga an yi difa ngala mhm. eh, vous êtes satisfait des travaux réalisés kun ji dadin da abun da aka yi koko vraiment ku kun so a ce kuma an kara an yi wasu eh, abubuwa mun ji dadi kuma mun hiso a kara sai kan ci france c'est vrai y'a beaucoup de choses qui ont été réalisées eh, mais en son samu ne il beaucoup de choses aussi wanda ya kamata a kara kan ci france même goudron wanga donc so, ah. il faut no kanin se gumu mu ya birge ka abun da aka yi bon abubuwa da ya birge ne gaskiya na farko dai c'est la route Mm. yan ce da fara difa gaskiya larut ne fa bremen bon mai na cikin gari dai alhamdulillah don ka sai sai yan fesa ke je badir abinda da ya birgen ciki da hanya dai ne sannan a farsa mem ya larut eh, fa jiska à peu près Gudumariya ita ma wannan duk bata da kyawu saboda manyan mu yau duka sai farbol suke waya jikin su basu san me yake faruwa kasa ba ko wanda ba mu sani ba suna tura da Bremen akwai matsala motoci suna ta faduwa ya des accident ya dinan port wanda ya kamata a ce an gyara shi to borode aran kan saran ko gangana ningo da ba daino kaningi se kan inte da baka nungi ni inte ngi ba mono imine kan in fonde kul hanse kadam ko to good maria zaminga jin funaya manti fonda ni gana ben hino igi sambu ko kan sai sibaino alhal karano bore kan go fonda gan go alhal karano fonda go kuna irka aranga majira hunkuna irdi ite difangala cinare kan ite wo matano aran wogba furta jay mahagoy di cinare wo Qu'est-ce que vous, en tant que jeune, entrepreneur déjà, vous attendez des jeunes pour sauvegarder ces acquis-là, ces réalisations Bon, moi je Très pense que par les autres. pour mieux gérer les infrastructures ou bien les installations qui sont faites, c'est de penser déjà à de faire des, des gestions déléguées. Par exemple, la place que nous occupons aujourd'hui ou bien ici tout de suite, la place des martyrs, on ne devrait pas laisser cet investissement-là partir comme ça du néant que ça profite pas à la jeunesse ou ça profite pas à la population des DIFA. On devrait avoir un gestionnaire, normalement, qui doit installer une cafétéria, ne serait pour accueillir des gens qui vont leur permettre de poser la fada comme nous sommes en train de faire tout de suite. Et c'est un cadre de change. Je ne parle pas seulement de, de cette place, il y a bien d'autres. Nous avons les installations électriques qui sont là, que la mairie devrait gérer. Est-ce que la mairie a des techniciens en électricité qui doivent suivre ces installations-là c'est de penser aussi à des gestions déléguées, au cas où la mairie ne parvient pas à les faire. Nous avons la tribune qui a été faite. C'est quelque chose qui doit être géré. On ne doit pas laisser les enfants, les fous, fréquenter les lieux et les salir au point où on ne pouvait pas l'utiliser au moment où on veut. Ou bien au point où on peut même l'abandonner. Parce que la gestion a été chaotique. Ce que nous attendons aussi de plus par rapport à ce qui a été fait, nous attendons les investissements annoncés non réalisés. Tel que Tel que l'hôtel qui a été annoncé, la pharmacie, les voies, les voies même qui ont été annoncées, on n'a pas le kilométrage qui a été indiqué. Franchement, la jeunesse de Difa eh, sollicite. La série à pharmacie au moins. Tout cela, on attend. On attend que ça se réalise parce que c'est dans la cagnotte qui nous a été annoncée. Vraiment, voilà ce que j'ai à dire par rapport à mes attentes. Ok, amis auditeurs, il y a des gens qui ont fakara digina ir kwagma don di modo hare ifo no akandir se ingu kuna rubrikora ir gahangan rubriko il ir ma ye ka koine ir fadara. Il répond au nom de Ahmed Ousmane. Il a cofondé Araka Comedy Club avec ses amis, sa famille. Il fait partie des premiers qui ont donc initié le Comedy Club. À ses débuts, il nous a impressionnés et il n'a pas arrêté, il continue le combat. Des jours comme de il fait partie des rares qui ont été fidèles à ce fidèle spectateur. Chaque mois, il organise son événement. Chaque dernier samedi ou chaque, premier deuxième samedi, du mois. Deuxième samedi du mois. C'est de tout ça que nous allons parler. De Haraka Comedy Club. Tu t'es fait un nom aujourd'hui la jeunesse nigérienne qui fait Haraka Comedy Club, ce que vous faites. Arka Comedy Club, Sanin Erkanda Le premier rendez-vous, c'était au café, il y a cela deux ans. Voilà. Et plus. Comment tu as fait pour réunir les artistes, tous ces artistes autour de toi euh, Déjà, il fallait aller toucher les gens qui voulaient vraiment euh, faire de ça un métier, donc euh, les installer, parler d'abord de la nécessité de comment être artiste d'abord, parce que c'est là-bas que ça commence Il ne faut pas qu'on commence et au bout de deux, trois mois, leur donner envie de croire à eux. Voilà, d'abord. Et après, on a euh, travaillé le talent là qui était en eux, parce que tous avaient un talent. Le premier numéro, par exemple, ça vous a pris combien de temps de formation Parce que ça t'a coûté des formateurs c'est ça, c'est ça. ça. Oh. Le, premier, en fait, on l'avait fait sur fond propre avec nous-mêmes, c'est-à-dire entre nous. Ah c'est le deuxième que j'ai fait venir un ah, formateur du Bénin, ah, donc Chromosome. Vous avez vu quelques failles Voilà, euh, qu'il fallait vraiment. C'est là-bas que les formations ont commencé ah, et chaque euh, trois mois, on avait placé des formes. Mais toi, tu as été formé ailleurs. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette histoire euh, J'étais trop fan de, l'humour, du, stand-up surtout. Parce que tout à l'heure, tu parlais de faire la nuance entre la comédien et humoriste. Effectivement, parce que comédien, c'est surtout ceux qui jouent dans les acteurs de cinéma, ah, comédiens. C'est c'est vraiment celui qui est euh, sur la scène, celui qui fait rire. Euh, le, un euh, one-man show. Un one-man show. C'est ça. du stand-up. c'est quoi le stand-up c'est un peu le stand-up. Justement, le stand-up, c'est que. Quelqu'un qui est là, le public est là. Stand-up, comme en anglais, tu es debout, tu es face à un public, tu les fais rire. à l'aide seulement de ton micro. Ah et le micro aussi, c'est pour que ça puisse euh, atteindre les gens. Sinon, voilà. Tu n'as pas besoin de déguisement, d'accessoires. C'est que des flots. non, c'est que tu parles et les gens rigolent. C'est naturellement avec des techniques, hein, parce que les gens nous voient comme ça, on pense que non. aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, si tu remarques bien à travers les réseaux sociaux, tout le monde est devenu euh, humoriste, comédien. On a des web humoristes, on a des humoristes. Ils, sont, ils sont là. Euh, toi-même, à la FADA, je suis sûr que tu fais les Toujours Mais sur la scène, <laughs> ça demande énormément de travail. Oui, c'est des techniques, fait, oui. pour savoir qu'est-ce que je dois dire déjà. Comment le dire dire Voilà, parce que qu'est-ce que je dois dire, ça, tout le monde sait. Je dois... Comment, comment, va te donner la visite sur cette émission. <laughs> De 2019 euh, à aujourd'hui, tu as une idée du nombre de numéros que tu as déjà. Euh, euh, on est à 21 numéros. 21 numéros pourquoi Ça fait 21 mois. Oui, parce qu'il y a Covid. En ah temps, il y a eu Covid. Donc, en temps, il y a eu Covid. Naturellement, les, salles de spectacle ont été fermées. Exactement. Et, pendant le temps où euh, tout a été fermé, comme tu l'as dit, au temps du confinement, ouais. qui ne dit pas son nom, Comment tu as fait J'étais vu sur le net, hein, tu es revenu avec euh, ton, comédie club. Oh oui, bon, on essayait de faire par-ci, par-là des choses pour continue à garder notre public euh, vraiment euh, <laughs> voilà un public fidèle hein. et tu peux le ah faire un big up immense ah ouais, ouais vraiment merci merci à tous ceux là qui viennent euh, à nos comédie club show mhm. et j'invite aussi ceux qui ne sont pas encore venus de ah, venir voir parce que hein. voilà parce qu'il y en a qui sont venus depuis la première fois ils nous ont jamais lâché Ahmed donc 21 numéros expliquons le concept chaque deuxième samedi chaque deuxième pourquoi chaque deuxième samedi de de chaque mois. Du mois. Oui. C'est plusieurs paramètres. Je ne sais pas si euh, ici le, c'est le bon endroit, mais quand même, au fait, c'est pour permettre euh, à plus de gens de oh. pouvoir participer à nos spectacles. Mm-hmm. Au départ, c'était les premiers samedis du mois, sincèrement. Mm-hmm. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup d'événements sont placés les premiers samedis du mois. contenu compte tenu du mois. Oui, compte tenu du mois. Bon, <laughs> certains se que c'est parce que voilà, les salaires sont là et puis tout ça, tout ça. Franchement, il y a beaucoup d'événements au début du mois. Et si tu étais confronté à... Voilà, il y en a qui veulent vraiment venir, mais on ne On place ça les débuts du mois. Parce qu'on considère que, début du mois, nous pourrons nous Tout ça là, tout ça là. <laughs> le premier samedi du du mois à table. Donc je dis, ok. <laughs> Parce que j'ai cocktail de mariage, j'ai coubéien, j'ai tout ça, tout ça. On est deuxième samedi. Voilà, on est allé maintenant au deuxième samedi. C'est vrai que, parce que nous-mêmes, on ne veut pas trop s'éloigner de la Du, samedi. Vous ne voulez pas vous éloigner du premier samedi du mois. <laughs> Donc vous êtes allé au deuxième samedi du mois. Voilà, deuxième pour, euh, voilà. Parce que le quatrième, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Troisième, quatrième, c'est pas possible. Ah, mais doucement. <laughs> c'est ça l'humourisme, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin. L'instant est solennel, ma mère on te donne la possibilité de t'exprimer en une minute sur tout ça la fada. On est à Hey, <laughs> euh, je, reviens là-dessus. Mhm. Sincèrement, on a besoin de vous dans nos salles. Ça ne sert à rien qu'un humoriste prépare un spectacle, mais de très bonne qualité, et qu'il n'y ait personne dans la salle. Mhm. Venez euh, regarder ce que nos talentueux jeunes artistes produisent aussi on a besoin de vous dans nos salles. Venez payer nos tickets. Souvent, on nous, reproche que peut-être le prix est assez... Euh, voilà, je voulais juste rappeler euh, les gens que le rire n'a pas de prix. Le rire guérit. Donc venez à nos spectacles. Le prix là, venez. Nous, on a souvent l'habitude de le dire. Si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Satisfait ou remboursé, c'est ça le concept tellement zankai n'aimez-nous Ahmed Ousmane, l'humoriste comédien, parce qu'il est aussi acteur, je le vois dans des films. La machine dont dit prendre un congé de nos amis jeunes qui kiffent l'émission Tous à la Fada à travers nos 47 radios partenaires. Et yadino irsikala newo difa difa mo irsikala place des martyrs zanga borekaya itegisi hino fondera nonguno kan ikaise newo dif kwara newo no irgo girfada te kun wicir kambora irgo newo mo inde dif furta jayno irgo nagsala har kan gati ko kar fodum no furta jayge ni kande hankan gati cinare boba kul kan ite labolil walo jingaro fondera kai ite newo difase desambrando zarwo cinda jingaro mantikal jingaro wodu kindi zantano ko kar fodum no furta jayge kan wayne wayne fondera nirgo irgo furta eh, irga fongandi après le lancement de la campagne de salubrité, le président du comité eh, difa abdou Lawal Marwana a lancé la campagne de salubrité le 28 euh, novembre dernier. Il se réjouit vraiment de voir avec enthousiasme les jeunes s'engager pour rendre vraiment euh, très propre ni le funal zander kwaram mais on rend pas la ville propre comme ça pour rien alors aujourd'hui comment vous, voyez qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour sauvegarder les acquis là voilà euh, l'espace public qui est là place des martyrs et bien d'autres tribunes qu'est-ce qu'on doit faire pour les sauvegarder ah OK moi quand akamata vraiment akamata des sensibilisations no wal isa vous êtes dans la sensibilisation vous êtes dans le civisme euh, dans tout ça là aujourd'hui qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment qu'on sauvegarde euh, le paix qu'il y a ici parce qu'il y a saurare ku akwai wasu kuma da ya kamata a kara kan a kara laisan vilala kaka ya kamata a yi qu'est-ce qu'on doit faire pour sauvegarder vraiment les acquis donc, euh, merci, merci, merci, merci pour euh, cette question. quand je me présentais, je parlais de ma structure, c'est question de citoyenneté et l'éducation. D'abord, il faut sensibiliser nos pères jeunes pour leur montrer que ces acquis-là, ça nous appartient. C'est pas pour l'État, ni pour le gouverneur, ou pour Laomarma qui est le président de Difangla, ou le premier ministre, ou le président Bazoum. Ça nous appartient. Tout celui qui vient à Difa, il va dire, ah, vraiment, Difa a changé. Et c'est ça qui montre que c'est pour la communauté de Difa, et c'est pour la jeunesse de Difa. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Et donc, euh, dans ce cadre, nous, l'effort qu'on peut faire, c'est la sensibilisation. Montrer aux jeunes de ne pas vraiment euh, jeter de, de, de, au niveau de ce, euh, sur ces infrastructures, au niveau de ces espaces. Et aussi, garder en tête et dans l'esprit que ça là, ça m'appartient à moi en tant que jeune. Individuellement, quand on a ça dans l'esprit, les choses vont changer. Mais euh, vous savez, il y a la question de bonne gouvernance aussi qui rentre dans la gestion de ces choses-là. D'abord, euh, vous voyez les lampadaires là, ça va coûter cher à la mairie puisque c'est des lampadaires électriques c'est par l'électricité qui sont euh, qui sont alimentés. Et normalement, des fois, on dit même c'est la région du soleil levant normalement, on devrait amener euh, de, de, de lampadaires, des panneaux solaires. Ça va coûter moins cher euh, pour le paiement des taxes de, de, Mais avec tout ça, maintenant, on va dire à la mairie de fournir l'effort pour garder ces infrastructures aussi. Puisque la mairie aussi, il y, a, une part de responsabilité. qu'attendez-vous euh, vraiment de la mairie De la mairie, c'est qu'on attend. D'abord, les espaces, par exemple, comme la place, euh, actuelle place là où on fait la fada, comme la tribune, il y a des espaces où la mairie doit donner à la gérance libre à une entreprise. Par exemple, ici, si euh, on fait une cafétéria ou euh, quelque chose ça, qui va apporter, la personne qui a l'espace, il est obligé de balayer l'espace. Et les gens vont fréquenter, ça va devenir vraiment espace qui, qui, a apporté quelque chose à la communauté. Et aussi, bah, au niveau de la tribune aussi, quand vous prenez au niveau de la tribune aussi, c'est une tribune moderne qu'on a fait. Il y a des boutiques euh, sous euh, la tribune. Donc euh, aussi, il y a l'espace comme ça tirer. Ça aussi, on peut donner à, une gérance libre à, un entrepreneur qui va en profiter. Surtout si c'est un jeune, il va d'abord en profiter et aussi garder l'endroit propre. Mais c'est ça ce qu'on attend de la mairie. Au lieu de laisser ça comme ça, les enfants vont aller commencer à chier là-bas, faire tout ce qu'ils veulent. Vraiment, dans moins de deux ans, tu vas voir que tout est parti à l'air. c'est ça qu'on ne souhaite pas. Merci beaucoup, Issa. Euh, chef je, vais un peu argumenter ce que Gain vient de dire à propos de la mairie. Et donc, euh, mon nom c'est Khalidou Ali Abdounajan. Donc la mairie doit impliquer les jeunes, puisque tout à l'heure on a parlé que les jeunes n'ont pas été beaucoup impliqués dans les affaires de Angola. Donc pour la préservation des acquis, la mairie doit essayer de faire, même si au minimum c'est une petite campagne de sensibilisation aux jeunes, pour leur dire que ces acquis-là sont notre bien, si on les préserve, c'est pour l'image de notre région, et c'est notre région qui sera belle et toujours florissante. Puisque avant on disait Difa est une ville morte, ville morte, puisque vous-même qui êtes à Niamey, ce que vous apprenez de DIFA, on vous dit que DIFA, c'est toujours conflit, bain de sang. Pour quelqu'un, il peut s'imaginer que s'il il arrive à DIFA, il va trouver des bains de sang partout, c'est la guerre Mais maintenant, grâce à Dieu, avec l'arrivée de la fête tournante envers de Difangla, on a eu des acquis et on a eu quelques infrastructures qui ont été réalisées. YouReport, ce matin, vous étiez ici pour balayer alors. Et est-ce que vous comptez rester comme ça juste parce qu'il y a la fête, vous allez Non, non, non. Après la fête, comme mon frère vient de parler tout à l'heure, Europort, on ne compte pas rester comme ça. Nous, okay. on a même décidé. Ou bien, c'est pas juste du folklore c'est pas pour vous montrer Matibor Mdiara non, c'est non. on a un plan d'action. On a un plan d'action. Il faut un plan d'action. Il faut nos aranganda ni aramate. Ba di fangal biskangana kwaram go dengala aran wan. Ba sonda achiwara se hmm. irgonda sensibilisation kairite.

di marché isobagu e sa aya marche follo ne go ne manna fono université bore banga marche pacifique no sino marche kul sino kango gite isa yan sig marche ful kware sa tabore o se société civile la isa la eh, marche toujours da da te marche pacifique am marche isa vous avez fait des vous marches êtes pacifiques euh, lors de vos marches là, vous ne cassez pas les lampadaires, vous n'avez ah, pas le projet euh, Bon, nous, vraiment, on n'a pas cassé, puisque euh, on a d'abord, on a sensibilisé euh, la communauté, de ne pas casser, et de, ne pas détruire tout ce qui est sur euh, la route, ça nous appartient. Nous, on va marcher pour aller dresser nos doléances à qui de droit et pour montrer aux autorités que vraiment on n'est pas satisfait de telle chose ou de telle chose Et c'est pas pour casser. Et ça, vraiment, on a eu à faire la marche et ça a réussi sans casse. D'accord. Euh, vous n'envisagez pas encore de casser, non <laughs> Il y, a quelque chose aussi que <laughs> j'aimerais. ok fini. Ajouter. ce que ne o difa il mm. y a beaucoup de structures de jeunes bori ngon kan gona niya kan gona niya im goy so di samu sun ne o na kai go mm. ai gbe igun igudu structure de jeunes ya kan dini nan go ko fi ga ikini gajere convenable ma za kan sai dai ine jere info di mizak mate jere an tina san sanin maskan grand frère ci igini gudu da mu structure de jan yangu groupe me féminin yangu no di ka ne o kine imte façon cafétéria là tout le monde structure gudu inga resurse mhm. ko ne iga hagoy da nango wani hayyano kan eh, jene no himu genge volanta tabe autorité se im tabi se ke mai gonda niya kan gi hingo hagoy da haikidu hankidu oh to dama assalamu alaikum wa rahmatullahi don ka na gode da wannan bani dama da aka yi magana don ku sai murya ko ko sanyi ne eh, gaskiya akwai sanyin ma kuma don ka je dize eh, saman harkan question eh, abin na mai ake na gerance mm. ya kamata meri ta yi sensibilizan jen mhm. to su ma jen meri ko kuna jira ne ba ku je wurin meri sai meri ya zo ko ko vous avez la kasan abu ne in aka ce sai kelken ki sa dole ne shi da kanshi zai nemi cewa waye zai abin eh lalle plus in aka ce irin plus public wannan waje ne na matasa kowa ya shagala ya wala me ya za a yi mu preservation shi kyau e lalle meri ya kamata su ma su yi kokari cewa sama su yi ah, sensibilisation a wajen su yake mai mu ma jeunesse in mu sa akan mu wani bi ba sai an zo an ce mana mu gyara wajen nan saboda yake ba a'a an ce difa ingila menene ingila sai quelque chose wanda me ake cewa kamar Hausa kamar yana da kyau to ya za yi kyau dole he mun tsatsabta wajen nan akwai wajaje inda dole mutane suke fasi dole dole mu da kanmu za mu sa kanmu cewa mu yi preserve wajen mu mu gyara wajen mu mu yi tsafta ya kyau difa ta zama ingila boro da kan saran hangana ane kan go dinga du mairie o ama nongono bor fose borama hausu yadin mono beaucoup mo bokul musigo gane difangala difangala damantin kambada no am hana gangal ko ne muradu aste matkan nongo adiyango na eh, ibrahim irkaniga ibrahim voilà Jean leader am sadar zango furta ji wakilino to jean leader comment vous voyez l'avenir de difangala après les festivités les réalisations là ça va se dégrader ou bien eh, ça va aller vous allez prendre soin comme c'est avec euh, vraiment un grand amour. Vraiment, la population de Difa a apprécié et vraiment et compte aussi vraiment préserver ces acquis-là. Parce que pour les préserver, on a besoin de tout le monde. Voilà, on a besoin de tout le monde. Qu'est-ce que vous comptez faire Nous comptons vraiment. Euh, D'ailleurs, il faut sensibiliser. Hum. On va sensibiliser vraiment nos frères collégiens, lycéens de ne pas vraiment détruire, parce que c'est un bien commun. C'est un bien commun, ça appartient à tous. Ce n'est pas pour l'État, c'est pour tout le monde. Donc il faudrait vraiment garder ça jalousement, mhm. parce que c'est des réalisations qui, se font, euh, on ne sait jamais. Si on constate, c'est depuis 2009. Maintenant, Dieu merci, cette année, on va célébrer ça. Donc c'est un honneur pour nous. On doit garder ça jalousement et préserver ces acquis-là. Merci beaucoup. Et à travers quoi À travers des actions citoyennes. Parce qu'il faut une citoyenneté d'ensemble. Les mouvements de jeunes, les associations doivent vraiment se collaborer ensemble pour relever les défis. Merci beaucoup pour relever les défis. Amis jeunes de la FADA, Halir Ban, Nkun FADA, Irkwagangan, musique c'est musique como, Nkun Matikala, Albishiri Kiroi, Wendiaidono Kente, Bifangala, Aseno Irkwagangan. Et hangan musique ko da banir mi yegi de bay adala albishiri dekkiro di fangala dono kayite asenir ko gangan nemeno irun kuna fada ir kagban amma alir ban irgo olivier ce am kaga famandir se hunkuna il faut bonno irgo fakare olivier olivier la chronique va parler de quoi bonsoir ce soir nous allons parler du prochain défi des jeunes de Difa dans une de mes chroniques, nous avions parlé bien évidemment de ce que représente la fête de Difa Ngala pour les jeunes de Difa. Eh bien, Arrivé à Difa, on l'a tous constaté, vous et vous ici présents et vous aussi, amis auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez vu des images toutes belles, toutes rayonnantes de la ville de Difa. Alors, une chose est de commencer, une chose est de continuer et une chose est de poursuivre. À Difa, certes, il y a des infrastructures, mais que ferions-nous pour euh, entretenir ces infrastructures Dans la fada de ce soir, beaucoup de personnes en ont parlé. Et je vais un peu faire allusion à un test de Kerry James qui disait ceci. Pour se développer ou bien pour construire, il faut trois choses. Apprendre, comprendre, entreprendre pour servir. Et pour servir d'IFA, il va falloir beaucoup de force, beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination. À Tilaberi, à Agadez ou bien à Zender, aujourd'hui, on voit un peu l'état dans lequel les infrastructures des fêtes de 18 décembre sont que ces infrastructures servent de leçon aux jeunes de DIFA pour que l'histoire ne se répète pas de la manière la plus malheureuse, comme on l'a vu dans d'autres régions, les infrastructures non entretenues, je veux dire. Mais comme DIFA, c'est DIFA, on a espoir que les jeunes de DIFA feront exception et quand on reviendra à DIFA, on ne sera pas, je dirais pas déçu, mais c'est un peu le mot, comme on l'a été dans d'autres régions. Prenez soin de vous et puis bye Alors, que feriez-vous, vous jeunes de DIFA, que feriez-vous pour ne pas avoir des infrastructures à l'image de Zender, Agadez ou bien Tilabelli, qui aujourd'hui malheureusement, les infrastructures ne sont pas bien entretenues comme on peut le voir. Donc, merci. Euh, nous, en tant que jeunes, nos contributions, c'est de sensibiliser nos pères jeunes pour qu'ils mettent en garde, en tête que ça nous appartient tous. Ça, c'est un. Mais il y a des choses, c'est ensemble. La jeunesse et les autorités, c'est ensemble qu'on met certaines choses en valeur. Par exemple, sans l'aval ou l'autorisation des autorités communales, on ne peut pas mettre cet espace-là à un entrepreneur jeune pour qu'il garde cet espace. Donc c'est aux autorités. Nous, maintenant, c'est un appel qu'on va lancer à ces autorités qu'ils pensent à ces espaces, qu'ils donnent ça à, des entrepreneurs jeunes pour euh, euh, exploiter. Quand on laisse comme ça, là, même si c'est par le mur, les enfants vont escalader et faire des choses de n'importe quoi. Et ce que vous dites est déjà en train d'être appliqué dans la région de Tawa que nous avons eu la chance de visiter. On espère que ce cri de cœur parviendra aux autorités. Vous qui nous avez écoutés du début jusqu'à la fin, nous espérons que vous avez aimé. On se retrouve dans la semaine prochaine dans une nouvelle chronique. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amigène de la Fada, nenor er kauteur on kuna wichir kambu fakara o kangir er gayun kun wichir fakara ra da furta jewu ine ingay ganda anniya ingay bon fere margana yante kangana ingay difangala kinere o kulkai te ingay yadin mono igone ga hammeriyo ga am kamba dangay se kanga na nongo wo am site nyamari am site cagar cagar nongo mte nongo albarkante wara kulmudu anafa irim gorbami